waaw man ñun nag suñu suuf suuf suuf ñu jot a léegi liggéey eh, ñu ngi ko liggéey ci cadre unité pastorale waaw bu dutoon loolu lu yàgg bi moom sàmm yi amutoon benn palaas bi nga xam ne fii koy war a sàmmee waaw léegi nan am nañ boobu espace bi nga xam ne ñoo ko ñoo ko organiser ñu am suñu partenaire bu ñu bu ñu tudd eh, eh, PASA moo ñu créé ci moo ñu jàppale ci ci unité pastorale boobu ak AVSF. bu ñu ñu ñu te ñu ñu seet suuf boobu bu ñu organiser ko ñu os village bi nga xam ne ñoo ko bokk ñu tànn suuf boobu ñu def ko suuf bi nga xam ne jur yi rek moo ko feetoo eh, même noor ak nawet. E, jur bi rek moo koy féetoo moo réglé suñu problème ak sàmm yi parce que bu nawetee nawet jotoon e, tool yi dana dugg ci biir saawu bi léegi bu ñu e, bu ñu defee unité pastorale bi ba pare déracer tool tool yi ci biir fu ñu war a béyee ñu béyee ko foofu nayi moom suuf boobu ñu ngi koy sàmmee nayi loolu daal moo li nga xam ne fan eh, jamono bi eh, unité pastorale yi ñu jàppale même temps sax am nañ ci beneen bi nga xam ne ñu bëgg a ko dooleel ba ñu def ko fédération bi nga xam ne ñaari fédération bi nga xam ne eh, fédération ñaari commune am nañ ko commune Vélingara ak bu bu am na même temps fédération bi nga xam ne ci moo ko yelloo ñu am foofu ku ñu jiite euh, unité pastorale cinq yu nekk ci biir commune Thiel bi euh, ñu organiser def benn fédération ñu am suñu président cadre boobu am ku koy jiite. suñu diggante ak béykat bi wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax ak partenaires yi nga xam ne moo jàppale sàmmay parce que dañu sonnoon ci euh, ci dëkkandoor bi waaye bu ñu defaree unité pastoral bi njëkkoon a bu ñu nekkoon a def connok Euh, bu sew moo ko organisé woon bu ñu ko defee ñu seet foofu ñu gis euh, réglé na problème sàmm yi ak ak béykat yi ñun ne loolu moo ñu kaw a dugal ci yif yooyu bu ñu ko amee ba léegi moo suñu am benn jafe-jafe euh, ci suñu diggante ak sàmm yi wax dëgg yàlla dëkk bu neex la ñu dëkk léegi. xam nga suuf nag ñaar la suuf soo xam ne da nga ñëw doon na ko ci sama fekk sama fii la doon sàmm. ak suuf soo xam ne danga nga xam ne ne li ci njëkk sax li ma waroon a njëkkee mooy suufu yàlla bi nga xam ne moo fi am te nit ñi di ci sàmm muy nekk aada ak cosaan euh, fu la neex soo xëyee nga daq say nag mu jëm fa mais dafa dem léegi ba nga xam ne jëmmi jamono jamono dafa xaw a soppeeku léegi da ngay gis ku nekk dafa dagg toolam comme tool bi soo ko gisee beneen am beneen am nga xam ne da nga mën a sa jur il faut nga nga nga wëlbati sàmm goo xam ne moom moo amoon ci aada ak cosaan bi waaye ñun pour suñu càmm fii ba léegi amaguñ ci jafe-jafe mais am nañ si tuuti jafe-jafe lu tax mooy jafe-jafe bi amul fii si commune bu Thiel képp ku xam Thiel rek xam na ne Thiel commune bu yaatu la commune bu am àll la commune boo xam ne bu jëri bu bëri ay jur tamit ndax toujours su nit ñi dara manqué ñëpp Thiel la ñuy rawee ji surtout ranch Dolli euh, Thiel suñ ko jëloon dañ koy ne Carrefour la euh, fu ñu jógee fii ba. ci yoonu Dakar bi ak yooyu yëpp fii la ñuy rawee ji sama mbokk séeréer yi ma bëgg tooñ ñëpp fii la ñuy rawee waaye ba léegi euh, pour ci suuf si moom am na loo xam ne jafe-jafe ndax léegi ku nekk mu ngi ñaan suuf ku nekk ngi ñaan suuf waaye am na ñoo xam ne ba léegi ñaanuñu suuf te àddina jamono day dox mun nañoo dem ba yàgg ki nga xam ne moo ñaanoon suufam moom am fu mu béy ak fu sàmm yow mi nga xam ne ñaanoo woon suuf mun nga dem ba sa dootoo am foo sàmm moo tax ku nekk mu ngi taxaw di ñaan. waaye am na li nga xam ne moo gën a dimbale sàmmkat yi te ma bëgg toujours ñu di ko xam muy unité pastorale yi unité pastorale dafa nekk benn affaire boo xam ne euh, lu ñu war a ràññee si biir liggéey bi la ndax unité pastorale rek mooy ñëw ne àll bii fii la ñuy sàmmee àll bi fii la ñuy béyee àll bii fii mooy yoon wi sàmmkat bi taxaw fi béykat bi taxaw fii mu nekk benn góor boo xam ne su fa nekkee moom Euh, musiba yi doon am diggante béykat ak sàmmkat moom dafay nekk loo xam ne day wàññeeku. loolu moom wàññeeku nu bu baax a baax baax ndax nit ñi ñu ngi organiser wu bu baax a baax ndax soo xoolee fii si Thiel dafa am benn projet boo xam ne bu tudd PRAPS bi mu ñëwee dafa jël ay yoon di ko dëgg ne yoon bi nga xam ne dafa jógee ay vidéo ci ngooli jaar Thiel génn jëm Patacour jëm noonu jëm Saalu boobu benn tool du ko jege. am boo xam ne dafay jóge boori Kanel jaar si gannaaw jaar ay Vélingara ak yooyu daf nekk yoon boo xam ne benn tool du ko jege. am na yoon boo xam ne soo jógee côté Daara Jolof da ngay jaar boori Gasaan génn jëm Saalum fekk doo jege kenn mu nekk benn affaire boo xam ne lu baax la si diggante baykat yi ak sàmmkat yi dégg naa gëj naa dégg histoire boobu. ñu ñaan yàlla histoire boobu na gën a euh, sore na gën a sore mais man li ma gën a dëgëral mooy unité pastorale ba léegi suñu bëggee béykat am suuf xaw ma sàmmkat am suuf nañu yaatal unité pastorale yi ndax unité pastorale su ñëwee da ne fii ngay sànnee ne sa àll mu ngi nii da koy dagg ne sa àll bi dama koy bàyyi muy noppalu muy mise à défaut ñu dagg yi àll boobu noppalu kenn du fa sàmm kenn du fa gor kenn du fa def dara ñu sàmmiwaat feneen su deewee déwénee ñu toxuwaat foofu dem di fa sàmm suuf si muy gën a dundaat suuf si gën a dundaat loolu daal mooy bi nga xam ne moom lañu fi dundee. waaw fii de race de doole la tudd. état moo ko dagg mu nekk benn euh, roos boo xam ne bi sàmm Sénégal yëpp ñoo ko moom mais wax dëgg yàlla euh, ci wàllu suuf si fii suuf bi yëpp ñu ngi koy benn bët lañ ko xoolee mooy suuf soo xam ne bii sàmm yi ñoo ko moom wante dafa dem ba nga xam ne jamono dafa dafa dafa demee boo gisee lii ngeen taxaw fii tey fekk bi ñax mu ñuy béy fekk fi fourragère bi loolu yëpp euh, li jamono changé loolu moo ko fi indi depuis bu yàgg ba léegi bi ci Senghor ba léegi dañuy waxoon na fii rox du dolli la sàmm bu fi nekk bu fi ñëw aussi suuf bi doo xool ku fi ñëw doo xool suuf mbéy suufu càmm nga koy xool suuf booy jëriñoo ci wàllu jur gi nga koy xoolee wante tey ci jamono ji ñu toll nii nag def nañ fi indi nañ fii lu am solo loo loolu xam-xam moo ko indi ndeke nag yi ci seen bopp dañ ci leen war a boole loo xam ni dañ leen koy bayal pour ko ñu mën ko jëriñoo ci ci noor bi nag yi nga xam ne dañ leen di bu dul ci biir xam nga ci biir range bi fii ñun duñ fi ci biir range bi fii 32 parcelles yi fi nekk benn parcelle rek lañu lañu jël ñu ne fii ñu fi dëkk war nañ fi mën a def dara mais li ci des yëpp 31 yëpp kenn du ko laal mais ci biir ci bitti ñun danañu def yoon may nañ def délibération ci wàllu suuf mais ci jamono ji ñu toll nii euh, délibération wàllu suuf dafa wàññeeku bu baax a baax ndax benn mooy suuf si dafa jeex. nit ñi dañuy yokku encore dañu nekk ci ci ci ci ci ci ci ci coppite boo xam ne bii xamaguñu réforme foncier bi xamaguñu fan lañ ciy daanu ji loolu moo tax tey ñiy ñaan ñu ngi ñaan mais ñi war a maye aussi amatuñu fit pour maye suuf si parce que euh, suuf dafa nekk léegi loo xam ne luy gaaw indi problème la wala luy gaaw a jur xiiroo ak loolu moo tax wax dëgg yàlla ñun ñu ngi may ñi xam ne ñu ngi fi dëkk ñu ngi leen may benn tool. Euh, ñaari hectare ñetti hectare wala lu ko ëpp tuuti ñu may la loo loo loo suturloo wante nag yenn may yi moom wax dëgg yàlla loolu ñemeetuñ ko def te te buñ ko def bëggoon def itam amatuñ ko loolu loolu amatu fi ndax fii ci commune bi dafa dañu am euh, benn ay dañu am ay projets yoo xam ne dañuy jàppale techniquement lu mel ne PASA lu mel ne AVCF lu mel ay projets yu bari PAPEL léegi dañuy communauté rurale bi euh, commune bi def am léegi juróomi unité pastorale unité pétrole bu nekk def am plan de plan d'action nu nu muy tëddee fii la ñuy sàmmee fii la ñuy béyee loolu moo tax ba léegi loolu sax dafa wàññeeku organisation bi fi ren boo fi dé léegi léegi léegi boo fi déggee coow sax boo sàgganee diggante sàmm bi ak sàmm bi la parce que sàmm yi nga xam ne dañu jógee ci àll bi ñoo fekk sàmm yi fi nekk bu ñëwee fekk sàmm yi ñu ne ñun nii la ñuy dëkkee nii la ñuy la ñuy sàmmee léeg-léeg ñooñu duñ ko gaaw gëm il faut nga nga taxaw il faut mu am coow il faut mu am wax leena sax autorité yi dañ ci dugg mais diggante béykat ak sàmmkat mom ci bir commune bi wax deug yalla mom kelif yi nga xam dañ ñëwoon bay ci fi ñu may leen fi ay tool yu mag lolu amatu fi sax wu fi dal ma ngi wax nak ci turu général de corps d'armée may seigna bi nga xam ne moom moo yore yilif gendarmerie bi yëpp. te mu jël li nga xam ni maanaam mbirum la fi. Fisi euh, doli dolli teg ko ci loxo general Moussa Fall mu tek ko sama loxo pour pour Fisi a ñu mën a jox ñëpp kaaraange fii si fii si fii si dolli biñ fi def na ñetti ngi ak ministre de l'élevage ak général Moussa Fall bi ñu ñëwee wax ngeen seen euh, lépp li ngeen soxla si mbirum kaaraange. boobu boobu ba léegi. gendarme yi jóge wuñu fi. fii détachement moo fi nekk guddi ak bëccëg. Hmm? loolu nag général Messina dafa ko fas yéene yokk ndaxte li fi euh, président de la République Macky Sall def. ak nguuram loolu du caaxaan alal bu bari la te lépp lépp loolu lépp ñu def loolu pour yéen la pour seen alal la pour seen kaaraange la moo tax général Meïssa Niang ne ministre de l'élevage bés bu yëf yëpp sottee gendarmerie dina jël sécurité ranch bi yëpp te ni ko ministre bu waxee. nee bu nekk. damal na benn gendarme dina am ay gendarme. képp ku fay duggu kalam di nga yore ay kayit yu leer. maa nga fay dugal di ko di nga yore si kayit yu leer. képp ku fay génn tamit. kala am kayit yu leer. maa du kayit kayit yu leer. loolu lépp nag. yamuñu fofu général Meissa Niang tamit baye dina fi ay di ngeen gis bu ci kanamé ay auto ak ay moto ak leneen yu bari yo xamni na ñew ba ci yeen général Meissa Niang faɗaani ɗon ala jari o yu bandise mon balɗe do moto mon otoji do moto mon moon do programme keew taw ko mon monmoro ni pour sécurité bay ɓeydir renfort capacité noko karange bi du yam du yam kessé ci buntu bi mais mais kaaraange bi tamit dina gën a bari si biir. gendarme gendarme yi dinañ ñëw ba seen wet. bu weesoo miir bi tamit lépp li si biti tamit. gendarmerie tamit dina ko assurer sécurité am. loolu lépp nag li président de la République def. dénk ko waa gendarmerie. du mën a sotti tànk defu leen seen loxo bu ñu fi defoon tamit junni gendarme li xew fii si biir yéen a ko gën a xam waa gendarmerie moo tax moo tax ngir seen kaaraange ngir sàmm seen alal yéen sécurité boobu gendarmerie di def il faut que yéen ngeen dugal seen loxo il faut ngeen jàppale gendarme yi te li may wax nak xam ngeen ko xam nako motax il faut ngeen def ci loxo sen loxo bu baax a baax mais mais lepp lu suñu waré bu soobee yalla du yàggati di ngeen ko gis bu soobee yalla loolu dal la amoon lu ma si bëggoon doon durant deux jours euh, elle est venue dans le cadre d'une mission de travail et pour visiter les nombreuses réalisations qui ont été faites euh, dans le département de Linguerre. Euh, des réalisations surtout faites par euh, l'important projet PASA. Vous savez que le PASA, le projet d'appui à la sécurité alimentaire, est présent dans trois régions, la région de Louga, la région de Matam et la région de Kafrine, d'où son appellation PASA Lumakaf mais le projet a fait d'énormes réalisations dans, le département de d'Inger en termes de bergerie, de chèvrerie. Donc ça, c'est le volet appui aux familles vulnérables. Mais aussi, dans le cadre de l'élevage et du pastoralisme de manière générale, on a visité des, euh, on appelle, des parcs de vaccination. On a visité aussi des forages pastoraux. Donc le tout pour le développement de l'élevage euh, dans le département de Linger. On a vu aussi euh, ce que l'AVF a fait au niveau de Dolly donc euh, les vétérinaires sans frontières. Donc tout ça euh, rentre dans le cadre de développement du pastoralisme et de, euh, l'élevage d'une manière générale. projet porté par le ministère de l'élevage sous les instructions du président de la République, son Excellence Macky Sall. Durant son, périple de deux jours, les éleveurs ont, réclamé de l'aliment de bétail, ils ont réclamé également de, fourrage pour le bétail quelle est la solution Oui, il faut dire que le ministre est venu euh, dans un contexte assez tendu euh, quand on parle de pastoralisme dans le département de Linga. On est au mois de mai. Euh, l'essentiel des réserves fourragères ont été épuisées. C'est pourquoi il y a cet important repli vers le ranch de Doli. Donc il y a une forte concentration de bétail. Jusqu'à maintenant, c'est le fond qui était là constitué par les éleveurs eux-mêmes avec l'appui du président de la République euh, qu'on a utilisé euh, pour, acheter de l'aliment de bétail. Mais les éleveurs jugent que euh, le prix est assez élevé, donc on sollicite l'appui de l'État, l'appui du président de la République pour un peu aller vers une subvention ou en tout cas amoindrir un peu le prix de l'aliment de bétail parce que la période est très difficile, vous, le constatez vous-même, il n'y a plus de, fourrage dans la brousse il n'en reste qu'une portion au niveau du ranch de Dolly. C'est pourquoi il y a nécessité aujourd'hui euh, de faire appel aux plus grandes autorités pour qu'un appui soit fait en termes de subvention pour l'aliment de bétail. Monsieur le maire, en tant qu'élu euh, local et en même temps aussi maire de la commune de Wafok, Madame la ministre a fait un appel de pied à votre égard. Comment allez-vous répondre à ce qu'il appelle Imam Oui, en, rapport ou en partenariat avec euh, l'association des maires du Sénégal, l'AMS, euh, le ministère de l'élevage euh, avait initié un projet qu'on appelle Imam, initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. on, a eu à, l'expérimenter dans, dans, quelques communes et dans quelques départements du Sénégal, mais cette année 2018, on a voulu généraliser sur l'ensemble du territoire national à quoi ça consiste Donc, chaque commune peut, avec un apport de 3 millions, bénéficier d'un financement de 9 millions euh, pour la construction de bergeries qui seront mises à la disposition des familles, surtout des femmes, le ministre de l'élevage ou le ministère de l'élevage va euh, procurer à, ces communes-là des géniteurs et des bergeries construites. Donc euh, la commune ne fait qu'acheter des brebis euh, qu'elle va distribuer au niveau des populations, au niveau des villages. Donc c'est un important projet. Euh, personnellement, en ce qui me concerne, au niveau de notre commune, on a intégré dans, le budget. Mais en tant que président de l'association des maires, je vais toucher l'ensemble des maires du département. Ceux qui ne l'ont pas encore euh, prévu dans leur budget, ils pourraient faire euh, des autorisations spéciales ou bien des virements de crédit pour que le projet soit effectif dans le département de Linger. Nous allons y travailler avec l'appui du ministère de l'élevage. waaw damay rafetlu euh, déplacement bi ministre de l'élevage def ci biir département de Linguère ñëw seet liggéey bi nga xam ne président Macky Sall ak gouvernement am def nañ ko ci ci ci wàllu càmm euh, rawatina nag li nga xam ne li mooy la fi projet PASA def xam ngeen ne PASA projet bu mag la buy jàppale càmm nekk ci ñetti région ci Sénégal nekk ci Louga nekk ci Matam ak ci Kaffrine waaye li mu def ci biir euh, département Linguère ci région de Louga nag euh, kenn du ko natable tey jii ñëpp teg nañ ci seen bët euh, PASA dafay encore benn projet boo xam ne bi day jàppale néew di doole yi moo tax bi ministre ñëwee gis ngeen bergerie yooyu ñu visité da nga xam ne dañuy dooleel ay nit pour que ci càmm xar gi ak càmm jur gu sew gi ndax ñu am ci dara gis nañ aussi li fi PASA def ci wàllu ay kuréel ay ay jumtuwaay yi ñuy fajee Euh, jur gi ay parque de vaccination gis nañ ci aussi lu mu def ci ndox tey jii ci commune Tessékéré bi xamoon nañ ne moo fi commune bu gën a mar tey jii Paza dindi na fi loolu ndax euh, forage yi mu fi def Paza tamit day jàppale agent technique yooyu nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal élevage ci biir département bi équiper leen construire leen sax ay ay poste vétérinaire loolu lépp gis nañ ko fi donc PASA daal projet bu xam ne ni bu amal solo càmm la bu amal solo département Linguère ñu ngi ciy sant ministre de l' élevage moom mi ko dugal fii ñu ci sant président de la république nga xam ne lépp moom la moom moo yor financement yi di ko def donc en tout cas tey ji département de am nañ mbégte lool ci liggéey bi nga xam ne PASA mu ngi koy def yeneen structure aussi di ko fi def ndaxte gis nañ bu ñu demee dolli tamit la fa euh, vétérinaire sans frontières def te te aussi lu am solo donc ay projet yu am solo ci wàllu élevage tey ci département de Linguère lépp si jàppale président de la république Macky Sall Voilà, projet boobu une initiative là, bu ñu imam mooy initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton xam nga tabaski yi weesu yëpp dañ doon am ay jafé jafé, euh, xar doy ci ci Sénégal donc les nag ñu ne euh, AMS liggéey ci qui ci le ministère de l'élevage pour que communes yi tamit dox ci seen jéego maanaam commune bu nekk ci nuñ koy defee da ngay génne ci sa budget ñetti millions Beaucoup de faits. ministère de l'élevage ak ay partenaires am ñu yokk ci ba nekk 9 millions ñu jënd ko ay xar yu jigéen séddale ko population yi surtout nous ciblé ci néew di doole yi ministère de l'élevage bi may la xaru pour ñu améliorer race bi ba pare tabaxal la bergerie bi nga xamante ne bi tax euh, population yooyu mën cee gis seen bopp. loolu ah, man sama jëmi bop au niveau suñu commune en tout cas délibéré nañ ko duggal nañ ko suñu budget dina waxtaan nak en tant que président de l'association des maires waxtaan ak maire département yépp ñiko ko duggal sen budget euh, ñu jublu ci ñiko jotul def def autorisation spéciale wala ay virement de crédit ba nga xamné né fonds bobu dana disponible ministre de l'élevage wax na ko fi ñu jàppale comme ça département de Linguère def lancement bi ndax département de Linguère dafa am solo ci wàllu mënu ñu jël projet càmm gu toll nonu ci bir Sénégal même boudé fenen lañ ko lañ ko tambalé comme nous sommes généralisés, généraliser département de Linguère jiitu ndaxte mënoo wax càmm te département de Linger. Il lañ ci toll tey maa ngi ministre qui nee nous La tournée avait pour objet de revoir un peu la situation pastorale au niveau de, la zone silvopastorale. Euh, je pense que c'est une situation extrêmement difficile. Vous avez pu voir vous-même. Je pense que vous avez dû filmer également tout ce que vous avez vu. Euh, il n'y a pratiquement pas de pas de pâturage dans la zone. En dehors, bien sûr, de Doli, qui est un centre de refuge pour le, pour les bétail, qui abrite aujourd'hui non seulement des transhumants venant des différentes régions du Sénégal, mais des transhumants également qui nous viennent de la République islamique de Mauritanie. Et la République islamique de Mauritanie est largement déficitaire en pâturage. Absolument rien. Cela a été constaté à l'occasion de réunions que nous avons eues à, à Abuja, réunions que nous avons eues également à Paris, au niveau de l'OCDE et avec le club du Sahel. Et je pense que c'est une situation très difficile aujourd'hui pour les pays du Sahel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir rencontrer, encourager les éleveurs, mais surtout féliciter les éleveurs sénégalais parce qu'ils ont tenu compte des conseils que nous leur avions donnés. Nous les avions aidés à mettre en place euh, un mécanisme de pérennisation de l'opération sauvegarde du bétail de 2012, 2013, 2014 et 2015. Et ils ont pu aujourd'hui se rendre compte de l'utilité de, euh, de ce système de, pérennisation euh, qui leur a permis d'assurer leur propre résilience. Ils n'ont pas attendu que l'État intervienne ils n'ont pas attendu que les partenaires au développement interviennent. Les premiers partenaires qui viennent d'intervenir dans la zone sylvopastorale, c'est le, le, le PASA. Le PASA qui est un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le programme d'appui à la sécurité alimentaire qui a pu mettre en place à peu près, je crois, il y a 800 et quelques tonnes qui vont être mises en place au niveau des différentes régions euh, impliquées, à savoir la région de Louga, la région de Matam et la région de Kafrine. Donc s'ils n'avaient pas cette somme de près de 3 milliards qui leur a permis aujourd'hui d'avoir mis en place près de 15 000 tonnes d'aliments d'eux-mêmes, ce sont les populations elles-mêmes qui ont eu à acheter cet aliment en rapport avec les autorités administratives et avec les agents d'élevage sur le terrain. C'est simplement pour montrer que avec euh, les subventions qui sont mises en place par l'État, il est possible de construire des mécanismes qui puissent avoir de la pérennité. c'est pourquoi j'ai félicité les éleveurs sénégalais à travers toutes les régions du Sénégal pour ce travail remarquable qu'ils ont eu à faire. L'État va intervenir bientôt euh, dans le domaine de, de, l'OSB. La FAO est également est en train de le faire. Et ce que nous avons demandé à la FAO, c'est de faire comme le PASA il y a déjà un mécanisme qui fonctionne. Il faudrait maintenant que toutes les interventions puissent rentrer dans ce mécanisme. Parce que c'est ça, il faut généraliser le mécanisme. Sinon, s'il y a deux types de, de, de ou deux types de, de, de mobilisation des populations pour ce qui concerne l'OSB, ça risque de nous créer des problèmes. Donc le PASA a mis en place les stocks, à l'intérieur même des stocks qui ont été mis en place par les, éleveurs eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aussi à la FAO d'étudier son mécanisme parce que même l'ARC, euh, euh, qui est l'assurance au niveau panafricain, qui nous avait donné près de 4 milliards ou 3 milliards 200 euh, il, y a, il y a deux ans, avait accepté que le mécanisme puisse servir de base à leur intervention. Et ils avaient même promis de voir comment le, le, rendre beaucoup plus large en l'élargissant au, au, niveau des autres pays africains. Donc je pense que ça vraiment, il faut les féliciter et je le fais au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, mais également au nom euh, de Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dion. Voilà, donc pour ce qui concerne l'aliment bétail, c'est ce que je, veux dire, je voulais dire. Mais ajoutez que aujourd'hui, les éleveurs ont compris l'importance de la culture foragère au début, en 2012, j'avais eu énormément de difficultés pour expliquer aux éleveurs qu'avec les changements climatiques, il fallait changer de paradigme. Il fallait changer de, mode de, promotion de l'élevage à travers la culture foragère. Et nous avons pu visiter un champ école qui a été mis en place par la FAO dans le cadre de leurs programmes régionaux et qui a permis aujourd'hui au niveau des services même de l'élevage euh, d'implanter donc ce champ école qui permet à des auxiliaires, à des agents de venir se faire former sur la culture fourragère. Et aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs, en tout cas au niveau de la zone, nous avons pu observer qu'ils sont en train de pratiquer la culture fourragère. Si vous regardez aujourd'hui ici, nous ne voyons que le désert, nous ne voyons que du sable, nous ne voyons aucune plante verte, autour de, tout ce que nous avons pu visiter. Donc je pense que ça doit définitivement rentrer dans leurs habitudes. Il doit, ça doit faire partie de leur programme de production pour le cheptel. Et je crois que certains éleveurs ont même eu à parler des bienfaits de cette culture fourragère, surtout de la plante qui a été choisie, le maralfalfa, qui est en train d'être vulgarisé à travers tout le Sénégal. Vous avez vu que même au niveau des, du, du PUDC, ils ont pu euh, au niveau du ranch de Doli, commencer à implanter le maralfalfa pour que ça puisse aller au niveau de l'ensemble donc des parcelles au niveau du, ranch de Doli. Nous avons également pu visiter d'autres réalisations du euh, Pazalou Macaf à travers euh, les chèvreries et les bergeries. Le programme, c'était un programme de sécurité alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle on s'était dit que dans le domaine de l'élevage, il fallait, euh, pour les petites bourse, c'est-à-dire pour les personnes euh, qui ne sont pas des personnes aisées, euh, les petits producteurs, il fallait leur trouver des activités qui puissent leur, permettre donc de générer des ressources, de générer des revenus. Des revenus qui doivent retourner au niveau de la famille pour satisfaire les, les, les besoins en santé, pour satisfaire les besoins en éducation, les besoins en alimentation, en nourriture. Et donc, euh, euh euh, satisfaire en tout cas la demande au niveau même du carré. Et nous avons pu nous rendre compte que, tant au niveau de la chevrerie de Pendetiam qu'au niveau de la bergerie de Oumarka à Kilimbe, nous avons pu voir les réalisations qui ont pu être faites. Et je pense même qu'il y a des comptes d'exploitation qui ont été présentés et qui nous ont donné énormément de satisfaction. Parce que ça, ça, ça se voit que si les populations sont bien formées, elles sont en mesure de prendre en charge leur propre développement. Nous avons aussi visité le magasin d'aliments bétail de Thiel qui a été mis en place par, euh, par, euh, par, euh, par le PASA avec le stock dont j'ai parlé tout à l'heure qui va être réparti dans toutes les autres régions. Nous avons visité également un pare-feu de 130 km à l'intérieur du ranch qui a été réalisé par le PASA. Et je pense que ça, ça a beaucoup contribué donc à l'arrêt euh, des feux de brousse. Et je pense que ça aussi, c'est une excellente chose qui doit continuer parce qu'il y a encore des, dizaines et des dizaines, des centaines de kilomètres qui sont aussi prévus comme pare-feu pour euh, vraiment amoindrir la propagation des feux de brousse, particulièrement au niveau du ranch, qui est aujourd'hui la première réserve, en tout cas fourragère, du Sénégal, en dehors de certains parcs mais qui ne sont pas accessibles. Et à ce niveau également, je voudrais dire, euh, euh, lancer un appel au chef de l'État parce que beaucoup d'éleveurs ont demandé à ce que les forêts classées qu'on puisse vraiment leur attribuer une parcelle au niveau de ces forêts classées pour faire non seulement de la culture foragère, mais pour utiliser les, pâturages qui sont à l'intérieur de ces forêts classées ou autoriser les éleveurs, comme ça se fait dans certaines forêts, à entrer, à prendre de la, les, la paille pour pouvoir, donc le, pour pouvoir le sortir. Nous avons aussi visité l'ouvrage de franchissement de Thiel sur la, piste qui a été réalisée par le, par le PASA, où euh, euh, ce village-là qu'on a traversé, c'était lequel encore C'est le village de Tiel. Pendant l'hivernage, les gens pouvaient rester trois mois pour pouvoir y accéder. Mais aujourd'hui, cet ouvrage a permis de renforcer le marché hebdomadaire qui est là-bas. Ça a permis également aux populations qui sont de la, du département ou de la région de Kafrine, la, la, la région vraiment arachidière, de venir vendre même des fentes d'arachide parce que les éleveurs en avaient besoin. Et les prix ont largement baissé à cause de, ce, cet ouvrage de franchissement où nous avons, nous avons observé des prix qui allaient de 8 000 jusqu'à 2 500 francs le sac aujourd'hui. Donc je pense que c'est un outil extrêmement important qui a permis de désenclaver une zone. Donc toute la, la zone là a été désenclavée. Euh, seulement le village de de Kilimbe nous demande vraiment de faire un effort pour pouvoir les relier à la route avec une bretelle de, je crois que ça fait 3 ou 4 km. Nous allons voir avec le PUDC et avec, euh, et avec, euh, avec le, PRAPS euh, comment on peut faire pour vraiment les aider. C'est la même chose pour les ouvrages hydrauliques également que nous avons pu regarder. En 2012, la première tournée que j'ai eue à effectuer dans la zone de, de Pastoral. On m'avait parlé du triangle de la soif. Amali, Tessekre, Viduchingoli. Mais aujourd'hui, euh, je pense que les populations sont très satisfaites des programmes qui ont été développés par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Il y a beaucoup de forages. Avant, il y avait ces trois forages euh, qui jouaient le rôle d'alimentation en eau, particulièrement du cheptel. Ces forages étaient distants d'à peu près 30 mois. On m'avait parlé de 35 km, mais 30 km entre chaque forage. Et donc, s'il y avait une panne dans un forage, le cheptel, comme les personnes, devaient faire 30 km pour pouvoir alimenter en eau leur troupeau. Aujourd'hui, entre chaque forage, il y a au, moins euh, de, 3 à 4 addictions d'eau et d'autres forages également sont à l'intérieur, qui ont été réalisés par le PASA, soit par le PUDC. Et ça, c'est une, réussite extraordinaire du programme eau du gouvernement du Sénégal. La zone sylvopastorale avait soif. La zone silvopastorale avait besoin d'eau. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que tout a été fait. Parce que le monde, on ne peut pas le construire en un seul jour. Mais ce qui a été fait, c'est essentiel pour le développement de l'élevage. Aujourd'hui, on a même euh, entendu les populations nous dire qu'il y en a qui ne vont plus en transhumance. Parce que ce qu'ils recherchaient surtout, c'était l'eau. Et aujourd'hui, il y a l'eau au niveau du Ferlo. Et je sais que le président, il a des projets beaucoup plus ambitieux que ça, parce qu'il a des projets, de grands projets de transfert d'eau qui doivent venir dans le Ferlo. Bon, ça, je, ne sais pas dinañu ko wala duñu ko yalla mais ça va être en tout cas ce qui va révolutionner la zone pastorale parce qu'avec le bétail avec de l'eau qui pourra permettre également de développer euh, en tout cas d'autres projets, d'autres programmes, je pense que la zone sylvopastorale risque d'être en tout cas, peut, pourrait être le grenier du Sénégal. Donc vraiment, je voudrais vous dire que euh, le président a été très attentif à vos besoins en eau et ça va continuer parce que vous avez vu les forages qui sont en train également de prendre forme. Le ministère de l'hydraulique aussi a réalisé pas mal de, d'unité au niveau de la zone et je pense que cela est extrêmement important. Nous avons pu également voir qu'il y a une bonne coordination entre les eaux et forêts, la, gendarmerie et euh, les différents projets, les services de l'élevage à travers le PASA aussi. Et c'est cette euh, synergie d'action qui, doit nous, qui peut nous permettre vraiment de faire de très bonnes réalisations et des réalisations connues par l'ensemble des populations, l'ensemble des bénéficiaires. Donc nous avons pu également voir les réalisations de l'AVSF euh, avec leur centre de leur centre d'alerte précoce. cela est très important parce que ça permet aux éleveurs, là où ils se trouvent, quel que soit l'éloignement, d'avoir toutes les informations qui les concernent qui concerne le pastoralisme, qui concerne, par exemple, même s'il y a des feux de brousse, ils sont informés. S'il y a, par exemple, des, des, des, programmes qui interviennent dans la région, ils sont informés. Ils sont informés, par exemple, de ce qui se fait au niveau de l'ensemble des marchés. S'il y a un marché, par exemple, je prends l'exemple de la Tabaski parce qu'ils nous aident beaucoup avec le système d'information qu'ils ont. À chaque fois, qu'il y a y a par exemple un manquard dans une région ou dans un marché, il nous informe immédiatement et on a la possibilité d'approvisionner ces marchés pour pouvoir euh, pour pouvoir alimenter et donner satisfaction à la demande locale là où elle est aujourd'hui, là où elle est elle est nécessaire. Voilà, donc pour ce qui concerne le ranch également que nous avons visité hier, pratiquement tout est terminé pour ce qui concerne les constructions. 6 milliards 500 millions d'investissements par le président de la République. Un investissement direct qui a été fait, qui a permis aujourd'hui d'avoir ce mur de 124 km, d'avoir la réhabilitation de l'ensemble des bâtiments, mais d'avoir également le, grand forage qui a été mis en place par le PUDC avec des capacités extraordinaires, avec les champs de NEMA qui sont des champs de démonstration qui doivent être démultipliés au niveau de tout le ranch et même au niveau de tout le département de Linger. Nous avons pu également leur demander de, de, mettre en connexion les, anciens euh, abreuvoirs euh, qui étaient là au niveau du ranch, parce qu'il y en a une centaine qui n'ont pas été reliés au, nouveau forage. Et je pense que ça va être fait, ça va être fait bientôt, dans la mesure où nous avons trouvé sur place euh, le chantier, euh, l'entreprise les, qui, avait, qui avait le chantier en main, qui a déjà commencé donc à faire ses branchements au niveau de, au niveau de de ces abreuvoirs et au niveau également des, des, châteaux d'eau qui sont au niveau, au niveau du ranch. Je pense que cela va, en tout cas, va permettre une bonne distribution d'eau au niveau du ranch parce qu'il y a, le ranch est vaste, 87 500 hectares. Il y a des gens qui se déplacent sur 10 km pour venir au niveau des potences pour prendre de l'eau. Donc si vraiment ils sont tous connectés, je pense que ça va faire vraiment du bien à tous les éleveurs. Euh, euh, au, niveau de, au niveau de la zone silvo-pastorale. Nous avons visité ce matin aussi le poste vétérinaire de Mbeleche, qui a aussi été réalisé par le PASA Lumakaf Et cela va nous faire près de 10 services, 10 services vétérinaires dans les trois régions qui ont été soit construites à neuf ou bien qui ont été réhabilitées. Donc je pense que cela aussi, nous le devons au PASA, mais je leur dis que autant le PASA que le ministère de l'élevage, euh, ce que nous sommes en train de faire, c'est le programme du président de la République que nous sommes en train d'appliquer. Donc, euh, c'est les projets qui sont nos bras armés, ce sont nos services qui sont nos bras armés et qui réalisent en tout cas ce qu'il y a dans le programme du gouvernement en ce qui concerne, en ce qui concerne l'élevage. Nous avons aussi visité tout à l'heure le forage de, de Wenduboki, qui rentre dans le cadre de ce triangle de, de la soif. Là aussi, c'est un, un, un, un ouvrage grandiose, c'est un grand ouvrage vraiment pour la, pour la zone de, notre ami euh, le maire de le maire de hein, Galel. Donc je pense que c'est une très bonne réalisation euh, qui va permettre en tout cas à l'élevage d'avancer au niveau, au niveau, de, cette, euh, au niveau de cette zone. Et dans le département de Linger, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a neuf forages, parmi lesquels Wenduboki, donc, qui ont été mis en place dans le cadre du projet, du projet, du projet PASA. Euh, donc, euh, je pense que bientôt, peut-être qu'on va demander au président de la République au Premier ministre de venir les inaugurer parce que ça le mérite. Parce qu'en 2012, quand on démarrait, il n'y avait pas ce projet. Heureusement qu'il y a eu ce projet par la suite qui nous a permis de faire les réalisations qui étaient souhaitées par les populations. Donc euh, ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est d'assurer l'entretien, de bien assurer la maintenance de ces équipements parce que c'est ça qui va, être, euh, qui va leur permettre d'avoir une durabilité. Ça va leur permettre de rester le plus longtemps possible avec vous. Donc euh, intégrer les femmes dans les comités de pilotage. Parce que quand il n'y a pas d'eau dans les villages, ce sont les femmes qui vont chercher de l'eau, et pour le bétail et pour les humains. Donc il faut les intégrer parce qu'elles n'ont aucun intérêt à ce que le forage tombe en panne. Sinon, elles reviennent à ce que ne veut plus voir le chef de l'État. Des charrettes avec des, des pneus, des chambres à air pour prendre de l'eau. Il veut que ça disparaisse de, de vraiment de de cette zone euh, silvo-pastorale <laughs> et de toutes les autres zones du Sénégal. Voilà donc le résumé de ce que nous avons fait. Pour ce qui concerne la gestion également, c'est une question que nous sommes en train de discuter. La gestion d'abord du ranch, parce que le ranch nécessite une, gestion spécifique. Et c'est pourquoi nous avons envisagé avec le gouverneur d'avoir une réunion de deux à trois jours au niveau de Luga, pour discuter sur le statut du ranch, pour partager avec l'ensemble des acteurs concernés et de faire au président de la République une proposition consensuelle, une proposition euh, vraiment qui rencontre l'agrément de tout le monde pour que vraiment tout le monde puisse euh, exécuter ce qui a été euh, pris comme, comme décision. Vous avez Voilà. pour ce qui concerne, en abordant également la question de des bergeries et des chèvreries qui ont été mises en place, j'ai annoncé la campagne mondiale qui est lancée pour l'éradication de la peste des petits ruminants. C'est l'OMS, euh, c'est pas, l'OMS, c'est l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, euh, c'est la FAO et l'Organisation mondiale de la santé également. C'est les trois partenaires stratégiques qui se sont réunis pour lutter contre la peste des petits ruminants à travers le monde entier. Parce que les petits ruminants, c'est pratiquement les biens qui appartiennent aux personnes déshéritées en général et dans toutes les régions du monde. Et c'est la raison pour laquelle la peste des petits ruminants, qui est une maladie meurtrière, qui est en train vraiment de, disséminer, de, de, décimer le cheptel à travers toutes ces régions du monde, on voudrait que la peste des petits ruminants disparaisse à jamais on a fixé 2035 pour éradiquer la peste des petits ruminants. Mais nous, dans le programme d'action que nous avons proposé, qui a été déjà discuté, que nous devons aussi partager avec le Conseil des ministres, nous voulons qu'en 2025, qu'il n'y ait plus de peste des petits ruminants dans notre pays. Mais comme c'est une maladie aussi qui est transfrontalière, il faudrait que des efforts soient faits euh, de façon... Euh, euh, comment on peut le dire, partager, concerté avec les autres pays qui nous entourent pour que nous puissions tous combattre la peste des petits ruminants pour que ça disparaisse à jamais vraiment de notre, de notre, euh, euh, de notre entourage.